Les habitants du quartier Wakande réchignent devant les autorités municipales de Barni qui affirment, disent-ils, avoir réalisé un niveau d'électrification à 91% et 30% d'adduction d'eau dans ce quartier à l'est de la commune. Ces populations parlent d'intoxication et de récupération politique avec de telles informations sur les réseaux sociaux. Ahmed un des habitants, précise la raison de leur boutade. C'est dû seulement à une publication de la commune de, de dans barnier Wassakhla. qui dit que le quartier Wakande est alimenté en eau à hauteur de 30%, alors que c'est archi faux. Nous dénonçons cela jusqu'à notre dernière énergie. En outre, il dit encore que le quartier est alimenté en courant à hauteur de 90%, alors que le quartier est alimenté en courant, c'est seulement la moitié du quartier je peux le dire ainsi, dénonçons cela. C'est une intoxication pour moi. Bon, il le fait pour tout simplement faire une récupération politique. Ça ne marchera pas avec nous. Maintenant, les gens sont éveillés. Même son de cloche, c'est les femmes du quartier. L'eau source vitale ne coule jamais assez. De leur robinet, encore moins, à la seule borne fontaine qui n'existe que de nom, contre leur gré. problème ut na yàlla xeronte bi léegi ka fi léegi naan na amuñu robinet robinet boobu du sotti masuñu faaroo na dugg si kër yi ba si biir ka nekk ba ubbe sa robinet mu sotti ñun loolu lañ bëgg Macky Sall na nu dimbali si ndox mi ba nu dimbalee si ndox mi la mu wax moom la nu wax la mu waxul waxuñu ko ndax ndox mi rek moo nu ñor ndax ñu naan ñu ngi fit bi naan maxaane am na ndox te fii benn ndox amu fi dara amu fi noonu la ma xëyee gis nga